le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve euh, pour cette euh, émission, pour ce forum du studio Kalangu. Merci de rester en notre compagnie. Vous êtes à l'écoute du studio Kalangu, 18 heures passées de 16 euh, minutes. Les programmes du studio Kalangu, vous le savez désormais, sont diffusés à Niamey et relayés à travers le réseau des radios partenaires à Agadez, DIFA, Dosso, Maradi, Tawa, Zender, Tilaberi, Arlit, Filingue et Le forum du studio Kalangou, c'est donc cet espace d'échange où nous débattons des sujets qui préoccupent les citoyens. Pour ce numéro du 24, du mercredi 24 août 2016, nous parlerons de l'Internet au Niger. Euh, de l'Internet, l'accès à l'Internet, le nombre d'abonnés, le taux de pénétration, ce sont là autant de questions que nous aborderons hein, ce soir. Pour cela, nous attendons d'un moment à un autre l'arrivée euh, de notre invité, un acteur de la société civile, Abbas Abdulaziz, président de l'Association de défense des droits des consommateurs des technologies de l'information de la communication et de l'énergie, Tis euh, Niger. Euh, nous attendions également un autre euh, invité qui, au dernier moment, nous a donc signalé son empêchement, mais que vous pourriez écouter à travers un entretien qu'il nous a accordé il y a quelques jours de cela, lui, c'est Aluo Omar, le président du Conseil national de la jeunesse, le CNJ, sur le boycott des produits d'Orange Niger. Ce feuilleton a commencé en fin mars 2016, lorsque un beau jour, Orange Niger s'est permis d'augmenter ses tarifs d'accès à Internet sans pour autant prévenir les consommateurs, ce qui était illégal. Illégal parce que nous avons pris le temps d'aller à l'autorité de régulation des télécommunications et de la poste qui nous ont notifié effectivement que Orange avait tort de pouvoir augmenter ses tarifs sans informer 15 jours à l'avance les consommateurs. Quelle est cette augmentation c'est-à-dire qu'auparavant, quand le jeune ou le consommateur met 500 francs de crédit, il a droit à 500 mégas qui duraient une semaine. Donc un bouge, ils se sont levés, ils l'ont ramené de 7 jours à 3 jours et ils ont diminué les, les mégas de 500 à 200 mégas. C'était inconcevable pour des jeunes qui n'ont pas de revenus de les supporter. Nous nous sommes dit en tant qu'organe fédérateur de toutes les structures de jeunesse, il fallait saisir la société, ce que nous avons fait. Dans une correspondance, nous avons adressé une lettre au DG dans laquelle nous lui avons demandé de diminuer purement et simplement les tarifs Internet. Quelques jours après, le DG nous a répondu et nous a conviés à une rencontre. À cette rencontre, malheureusement, les propositions faites ne nous ont pas satisfaites. Nous avons eu deux autres rencontres et une troisième rencontre même avec l'autorité de régulation des télécommunications et de la Poste, qui nous ont sorti les tarifs des autres pays, mais surtout de la législation nigérienne, qui fait obligation à toutes ces compagnies eh, de téléphonie, lorsqu'ils veulent augmenter leurs tarifs, d'abord de motiver leurs décisions, mais obligatoirement doivent informer le consommateur à travers des messages, à travers des spots à la télé, à travers des affiches. Orange n'en a rien fait. Et après cette rencontre avec l'ARTP, nous étions retournés à Orange pour leur dire, écoutez, tout ce que vous, nous avez raconté n'était pas vrai. Parce que voilà ce que dit le régulateur, voilà ce que vous dites. Cela nous a conduit à organiser un point de presse et de dire à la jeunesse de faire deux choses. Premièrement, de boycotter purement tous les produits orange et deuxièmement, d'empêcher de, de, boycotter euh, la tenue de Orange Colossa. C'était le 29 avril qu'il devait commencer, un vendredi. Malheureusement, les jeunes ont dit niet, les scolaires ont dit niet, cela n'a pas eu lieu. Le lendemain, le cabinet du Premier ministre a instruit les ministres des de, télécommunications, celui de la jeunesse et nous-mêmes de se rencontrer, ce que nous avons fait. Et à l'issue de cette rencontre où Orange était présente, il a été convenu de suspendre définitivement Orange ça Donc, s'ils pensaient qu'ils allaient continuer à distraire les jeunes à travers cet événement, eh bien, nous avons pu l'arrêter. Deuxièmement, le Premier ministre a demandé à ce que le cadre soit élargi, c'est-à-dire que, que les ministères concernés, Orange, nous-mêmes et l'ARTP puissent se retrouver autour d'une table pour voir dans quelle mesure cette société va revenir, euh, va revenir à de meilleurs sentiments, va réduire ses tarifs. Et à l'époque, les gens se disaient pourquoi on n'a pas attaqué Move, pourquoi on n'a pas attaqué RTL Niger. L'objet, c'est que c'était les tarifs d'accès à Internet qui était élevé à orage. Et nous, nous pensons qu'il faut qu'on s'organise davantage pour combattre cela. Et par rapport à ce que vous venez de dire, c'était en présence de l'ARTP. L'ARTP, à son tour, euh, vous a dit quelque chose Pour le moment, nous n'avons pas eu cette rencontre euh, tripartite où l'autorité euh, de régulation, les membres du gouvernement, nous et Orange se surtout. On n'a pas encore eu cette rencontre. Nous avons eu des démarches parallèles où la direction générale de l'ARTP nous a reçus et nous a donné suffisamment d'éléments qui légitiment davantage le combat que nous sommes en train de mener, l'un dans l'autre. Ce que nous tenons à dire à l'opinion, c'est que ce combat-là, lorsqu'il va être gagné, ça ne sera pas pour nous, ça sera pour tout le monde. Parce que c'est tout le monde qui consomme, c'est tout le monde qui est arnaqué par ces sociétés de téléphonie, souvent, comme je l'ai dit, avec la complicité des, autorités même nigériennes. Et ce combat que vous menez, c'est vrai que ça concerne tout le monde et la jeunesse, mais est-ce que la RTP euh, euh, n'a pas aussi son mot à dire dans ce combat Ce que vous ne savez pas peut-être, c'est que cette institution regorge de plusieurs conseils de régulation. Chaque Chacune de ces sociétés de téléphonie fait en sorte qu'il ait un conseiller parmi ces conseillers-là pour défendre ses intérêts. Donc vous, vous, conviendrez avec moi que ce n'est pas en croisant les bras que les prix vont baisser. Non, il faut se battre et nous pensons que c'est à la jeunesse d'être au devant de ces choses. Et actuellement, où en êtes-vous avec donc ce combat Nous avons tenu à rappeler à un des ministres qui disait est-ce que le Conseil national de la jeunesse a pour rôle de défendre les intérêts de la jeunesse On lui a dit de se tromper. Le décret 545 bar PRN bar MJ bar S du 14 octobre 2015 portant création du Conseil national de la jeunesse est très clair. Dans les attributions, l'alinéa 2 est clair. Le Conseil a l'obligation absolue de défendre les intérêts matériels et moraux de la jeunesse. Donc vous voyez quand souvent même des membres euh, du gouvernement ignorent euh, les textes de l'État, je pense que c'est un problème. Donc nous allons continuer ce, combat de manière responsable. Mais maintenant, pour le moment, en tant qu'organe de l'État qui sert de trait d'union entre les structures de jeunesse et le pouvoir, nous allons respecter la, demande du Premier ministre qui nous a demandé de ne pas... Euh, de ne rien faire jusqu'à ce qu'il y ait cette rencontre avec euh, les différentes parties. Et Inch'Allah, nous allons le faire. Et si nous ne sommes pas satisfaits à la sortie de cette rencontre, vous allez voir sur les médias euh, la, suite du combat. Et vous pensez que cette rencontre aura lieu dans combien de temps À l'heure où je vous parle, notre ministre des tutelles se trouve euh, aux Jeux Olympiques. Ce n'est qu'une question de, de jour. Il va rentrer. Beaucoup de ministres sont en vacances, vous le savez. Donc juste après les vacances, je suis convaincu que nous allons créer ce cadre avec ces différentes parties. Au vu de ce que vous venez de dire, vous, vous réaffirmez que ce combat n'est pas euh, ciblé, que c'est pas une dent contre Orange Jamais. Euh, nous sommes assez responsables pour s'attaquer de manière unilatérale à une seule entreprise, sachant bien que ces entreprises emploient des jeunes Nigériens, font vivre des familles nigériennes. Nous n'avons aucune mauvaise intention vis-à-vis de qui que ce soit. Et cela, nous l'avons réaffirmé et à la direction générale d'Orange qui nous a reçu à trois reprises et nous l'avons dit que si demain ils acceptent de revenir à des meilleurs sentiments, pourquoi pas ne pas continuer à travailler avec eux. Mais pour le moment, beaucoup de jeunes ont cassé leur sim. À la date d'aujourd'hui, j'ai cassé ma mais je ne l'ai jamais remis et j'attends jusqu'à ce qu'il revienne à des meilleurs sentiments pour le faire les programmes de Studio Kalangou à Niamey sur la radio alternative 99.4 FM à Zender sur la radio Choukra FM 105.5 FM à sur la radio Fara 92 FM à Tawa sur la radio Tambara 107 FM à Arlit sur la radio Ipokane 95.1 FM à Agadez sur la radio Nomad FM 101.9 FM à Tilaberi. Sur la radio Téboisé 97.5 FM à Maradi. Sur la radio Garkwa. 107 FM à Filengue. Sur la radio Muriatalaka. 95.1 FM à Difa. Sur la radio Anfani. 100 FM. Studio euh, messieurs, dames, euh, voilà donc euh, nous ne l'avions pas annoncé, mais nous allons revenir sur un élément très important. le 23 août 2016 a été commémorer le 28e anniversaire de la mort euh, de Ladji Mamantaya, né en 1951 à Ngingimi, dans la région de Difa. De son vivant, Feu Aladji Taya a marqué la musique moderne nigérienne à travers euh, l'Orchestre national de la capitale dont il était le patron. Abdoulaye Alidou ou Meigizo, euh, de son nom d'artiste, John Sofakole, garde vivace à l'esprit les souvenirs de Ladji Mamantaya. Taya. Taya, moi, je peux dire que c'est l'artiste complet, quoi. C'est l'exemplaire. Je peux dire, euh, c'est de lui, c'est de son image que maintenant, aujourd'hui, beaucoup de jeunes arrivent à émerger dans la culture. Et je pense que c'est une référence. Et Taya, c'est un bosseur, c'est un travailleur. Taya peut te passer vraiment toute une nuit. Après, le Gaskama, Taya revient à la maison, il se met sur son piano, il fait que des recherches. Il est mort laissé toujours cet esprit et puis cette envie de rechercher et de sortir quelque chose de la culture nigérienne. Quel souvenir avez-vous de lui Mon souvenir que j'ai de lui, euh, c'est que c'est lui qui m'a offert ma première guitare électrique, que moi j'ai jamais possédée. Et tout ça, c'est un signe d'encouragement et ça, vraiment, je le suis hyper reconnaissant. Et vraiment, j'ai dit, paix à son âme, que son âme se repose vraiment très bien. C'est quelqu'un qui a voulu, il m'a beaucoup encouragé. À tout moment, il m'appelait, il me disait, écoute, gaucher, tu, ne te décourages pas. C'est dur, mais c'est comme ça, mais un jour tu persévéreras. Quel héritage vous a-t-il laissé moi, l'héritage qui m'a laissé, c'est ce que je viens de dire. Euh, je disais que euh, je passais tout le temps après la croisette. J'étais euh, chef d'orchestre là-bas dans les années 87. J'étais là-bas après le jeu, dès qu'on finit la soirée, par exemple à 3h, 4h du matin, on retrouvait le Gascama, on le retrouvait là-bas. Et il faut que je vienne le voir avant la fin de la soirée, tout ça là. Et puis on cause, on discute, on, rit, on s'amuse. Et c'est quelqu'un qui fasse bien. Il n'y a pas à faire de grands frères et de petits frères, ni de petits frères. Euh, il est hyper ouvert, quoi. Donc euh, vraiment, moi, c'est l'artiste euh, vraiment exemplaire. Ouais. Quel genre de musique fait-il de son vivant Quelle est sa musique Qu'est-ce que sa musique traduit C'est une musique révolutionnaire Quel genre de musique Mamantaya faisait et Maman Taya, lui, sa musique euh, est une musique universelle. Ça touche à tout. Parce que sa musique est basée vraiment sur l'afrobeat. Suivant l'afrobeat aussi, de côté, il y avait le reggae. Il a utilisé le reggae parce que c'est l'ami intime euh, du grand Alpha Blondie. Vous n'ignorez pas que Alpha Blondie, à un moment, il était venu en 90 ici pour un concert où il a été, il a fait une visite au cimetière sur la tombe de Taya pour euh, un dernier adieu, quoi. Parce que c'est des gens que c'était son promotionnaire. Ils étaient aux États-Unis et en tant qu'étudiants. Donc euh, ils se sont rencontrés là-bas et voilà, ils ont sympathisé. Ils voyaient qu'Alpha Blondie s'intéressait à la musique. Les gars, ils se retrouvaient dans les parcs euh, à New York. L'autre a un djembé, l'autre a une guitare. Et puis les gars, ils se mettent dans les parcs là, ils jouent. Et puis les gens passent, on les filait quelques dollars et puis ça marche quoi. Bon, c'était un peu la manche quoi. Ouais. De fin, Maman euh, Alhaji Mamantaya vous a offert votre euh, première guitare. Euh, parmi la musique et le dauphin à chanter, quelle est votre musique préférée Son morceau préféré, son titre préféré Moi, mon morceau fétiche du grand frère Taya, c'est Yanni. Yanni, qu'il a dédié pour sa maman. Ça, c'est mon morceau. Et lui aussi, c'est son morceau fétiche. Nous, ça nous a tous, quand il composait ça, nous, on est là, on suivait vraiment on avait la chair de poule, quoi. Oui, ça, c'était un compositeur, euh, vraiment propos recueillis par Tarnan foudet Ahmed. Revenons-en donc euh, au sujet de ce soir, de ce forum qui est donc euh, le prix euh, de l'Internet, l'Internet au Niger. Nous venons donc d'enregistrer l'arrivée de, Abbas Abdul Aziz. Je vous le disais, Abbas Abdelaziz est donc le président de l'Association de défense des droits des consommateurs, des technologies, de l'information, de la communication et de l'énergie, Actis Niger. Abbas Abdelaziz. Bonsoir et merci d'être venu jusqu'à nous. Oui, bonsoir euh, Myriam. Euh, Abbas, donc euh, nous allons parler donc de l'internet, du coût de l'internet, aussi de l'accès à l'internet, du, nombre d'abonnés, du taux de pénétration et, nous allons directement vous poser la question à ce jour est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre d'internautes ou d'abonnés au Niger? Bon, euh, <clears throat> effectivement, le nombre exact, euh, il serait vraiment difficile euh, de l'avoir parce que nous n'avons pas vraiment des statistiques qui nous sortent de la RTP, c'est-à-dire un chiffre exact. Mais nous pouvons vraiment l'estimer et ici à Niamey, nous savons que le nombre d'Internet ne dépasse pas euh, les 4,5 millions, euh, c'est-à-dire euh, de personnes. Euh, vous voyez, et quand même on fait le rapport sur le nombre de populations et euh, c'est-à-dire le nombre d'internautes, vous voyez que vraiment le taux de pénétration, c'est ce qui définit le taux de pénétration, il est vraiment insignifiant. Il est vraiment insignifiant. Et alors, euh, c'est vrai, on allait en venir, le taux de pénétration, est-ce qu'on pourrait euh, peut-être avoir une explication qui pourrait permettre à nos auditeurs de comprendre, le taux de pénétration Bon, vous savez, il il y a plusieurs problématiques qui expliquent vraiment ce faible taux. D'abord, vous savez, pour que le taux vraiment soit très élevé, il faut d'abord l'accessibilité aux terminaux, c'est-à-dire l'utilisation, euh, genre euh, le téléphone portable, l'ordinateur. Il faut que ça soit accessible au niveau de la population. Il faut que tout un chacun ait accès que chacun, euh, que, ça soit vraiment à la portée de tout le monde, que, euh, avec euh, une bourse vraiment moyenne, que vous puissiez accéder d'abord à cet outil qui vous permet d'accéder à Internet. le deuxième problème, c'est vraiment au niveau de, l'accessibilité même d'Internet et, et, disons, du débit, c'est-à-dire de la vitesse etc., euh, etc. Et vraiment, euh, le troisième problème, le troisième problème, c'est que il euh, n'y a, pas, il a pas une vulgarisation, c'est-à-dire étendue de, l'outil informatique sur le pays. Vous savez très bien que le Niger est un pays très vaste. le taux de pénétration vraiment se calcule à partir de, de ces mêmes données. Euh, donc vous voyez, vous conviendrez d'avec moi que jusqu'à présent, euh, il n'y a que Niamey qui constitue vraiment le, euh, la capitale, qui constitue vraiment un centre où euh, l'Internet euh, est, vraiment bien développé, et, bon, pas bien développé, et, quand même accessible. Quand vous partez tout juste à côté à Dosso, mais écoutez, avant d'ouvrir une page, vous allez prendre, euh, vous en avez pour une bonne dizaine ou vingtaine de minutes. Donc vous voyez que vraiment, alors que dans d'autres pays où nous avons pratiquement les mêmes infrastructures, on, parle de giga ou ne, c'est-à-dire des foyers. Et si on, parle de classement, est-ce qu'il y a, peut-être un, chiffre, un classement qui pourrait euh, nous permettre de, savoir le rang qu'occupe le Niger, euh, peut-être en Afrique Bon, euh, c'est pour ça que je vous dis que nous n'avons pas vraiment de chiffres, c'est-à-dire exacts. Et si nous n'avons pas de chiffres exacts, nous ne pouvons pas euh, nous prononcer sur euh, le rang du Niger, mais quand même, il faut savoir une chose que dans le domaine des TIC en général, euh, vraiment le Niger est, quoi, les TIC ça veut dire les technologies de l'information et de la communication. Là, nous parlons de, de, tout, c'est-à-dire de l'électronique, de l'informatique, de la communication. Le Niger est vraiment bien placé. Ben, je ne donnerai pas le premier rang, mais quand même le Niger est assez avancé vraiment par rapport euh, à d'autres pays. Et alors, donc, en 2012, le nombre d'internautes était euh, je prends donc euh, l'année 2012 parce que c'est ça qu'on a pu trouver, 208 897 internautes. Le Niger, donc, en ce moment, était classé 34e sur 54 pays. Et c'est en Afrique. Et dans le monde, il occupait la 144e place euh, sur 195 pays. Est-ce que, euh, selon, selon vous, euh, cela reflète cette réalité? Oui, effectivement, ça reflète cette réalité parce que vous savez, surtout en Afrique, les, pays n'ont pas adopté la, politique de pénétration de, des terminaux. C'est de ça que je vous parlais tantôt. Aujourd'hui, quand vous voulez euh, bien naviguer ou, quand vous voulez vraiment utiliser Internet, il vous faut vraiment euh, euh, des équipements qui ne sont pas d'abord à la portée de n'importe qui. Je, parle ici des terminaux. Euh, il vous faut vraiment des terminaux de, dernière génération. Il vous faut un débit vraiment euh, qui soit montant ou descendant. Il faut qu'il soit vraiment acceptable. Il faut que, quand vous lisiez un flux, que, vous sentiez que vraiment que vous n'êtes pas sur Internet. Euh, il ne faut pas qu'il y ait des, des, saccades en lecture. Vous voyez, il y a tous ces problèmes et, qui, qui, font qu'aujourd'hui, au Niger, euh, nous pouvons occuper cette place parce qu'aujourd'hui, quand vous partez au Sénégal, quand vous partez en Côte d'Ivoire, quand vous partez en Afrique du Sud, il y avait vraiment des pays qui sont euh, bien placés, qui, sont, euh, qui occupent vraiment des rangs, du fait d'abord de la superficie de leur pays et du fait aussi de l'accessibilité et du fait aussi de, de, l'exonération de, de, de, toutes les taxes, c'est-à-dire on enlève toutes les taxes sur les produits TIC. Vous voyez, par exemple, quand vous achetez des ordinateurs, des téléphones portables, etc., euh, quand vous, arrivez à la frontière, ces produits sont exonérés de toutes les taxes. Ce qui fait que euh, le produit est plus accessible, euh, les gens l'achètent facilement, Internet est moins cher. Ça veut dire que vous, vous, vous, vous travaillez comme vous voulez, vous, vous, transportez le monde dans votre poche, vous voyez. Plus on crée le besoin, plus on a beaucoup, euh, euh, euh c'est-à-dire, euh, euh, bon, pas, d'internautes, mais de consommateurs dans ce domaine-là. Alors, alors, Abbas, vous venez de lâcher le mot, où vous avez parlé de prix, prix accessible dans, dans, les autres pays. Nous allons, avec bien sûr, quatre citoyens que nous avons interrogés, que Abdul Karim Maman Barmou a interrogé ce matin au sujet du prix de l'Internet. Nous allons tout à l'heure avoir une idée de ce que pensent ces citoyens, ces utilisateurs de l'Internet. En ce qui me concerne, j'utilise déjà Internet euh, airtel, Effectivement, c'est très cher. Alors, je ne comprends pas qu'avec euh, un leader euh, en télécommunication comme RTL que nous en soyons à ce, à ce stade. Pour télécharger, pour regarder une petite vidéo YouTube pendant la journée, c'est impossible. Donc, quelles que soient les propositions qu'ils nous proposent, non seulement c'est cher et c'est, ce n'est pas efficace. Donc je pense qu'il faut euh, segmenter, compartimenter déjà, que chacun puisse, euh, qui puisse imager par exemple l'internaute euh, pour le loisir, l'internaute pour le travail, l'internaute pour le commerce, etc. Pour que chacun puisse se retrouver, adapter les, leurs propositions 500 francs, 3 jours, etc., machin, à partir de minuit, etc. On ne se retrouve pas. Une dernière petite chose, L'Internet est censé quand même, euh, dans un pays pauvre comme le Niger, euh, nous aider à nous développer, à nous sortir de cette, pauvreté. Alors, euh, nous avons des petits budgets. Essayer de nous pousser, de pousser les jeunes justement à ne pas être oisifs, à utiliser le e-commerce. Et pour ça, il faut l'Internet. Donc ça, ce n'est pas participer au développement, c'est plutôt utiliser nos petits budgets, nos petits sous pour nous plomber. Pour ce qui concerne la charité de l'Internet aujourd'hui, c'est une réalité. Nous sommes en train d'assister à une entreprise d'exploitation croquerie organisée parce que avant, euh, la connexion était à une semaine 500 mégas, 500 euh, francs. Maintenant, les gens se sont organisés parce qu'ils ont des personnes sûrement chevronnées, des marketeurs qui savent comment avoir la population. Maintenant, vu que tout le monde est devenu dépendant de la connexion et que tout le monde ne peut pas s'en passer, ils se sont dit voilà pourquoi ne pas ramener ça peut-être à deux jours ou bien avec RTL on a assisté à trois jours 500 euh, mégas avec Orange 200 mégas, ce qui était dans le passé à 500. Je crois qu'il est grand temps que les gens essayent de boycotter parce que sans le boycott, on ne peut pas résoudre ce problème parce que ça touche la jeunesse. Tu as besoin d'envoyer des fichiers sur la toile et on te dit de te réveiller à 0 heure pour naviguer avec RTL. Je crois que ce n'est pas responsable. On ne peut pas s'empêcher de dormir. Et vous n'êtes pas seul de savoir qu'il y a un temps, Orange pour Orange, c'était jusqu'à 500 mégas la semaine. Donc, à notre grande surprise, ils ont transformé ça à 200 mégas. Chose que nous avons considérée pure et simple que c'est de l'oscurquerie. D'ailleurs, que l'État doit être en, en complicité parce que je ne peux pas comprendre qu'il y a une euh, structure qui cherche à RTP et que voilà, nous sommes en train d'assister à ce sacrifice que nous sommes en train de suivre. Donc c'est en ce sens que je tiens en tout cas à encourager Abbas parce que hier je l'avais suivi. Surtout, il a fait beaucoup de révélations parce que ne sois pas surpris aujourd'hui au Niger. Certes, les compagnies sont en train de chanter qu'il y a 3G, mais jusqu'à preuve de contraire, selon Abbas, en tout cas, on n'a pas enregistré cette, cette connexion de 3G. Donc voilà, parce que imaginez, il n'y a pas 3G, mais les les compagnies sont en train d'estomper nos vigilances, pensant que voilà, il y a 3G en tout cas, en ce qui concerne les différents forfaits des, opérateurs de téléphonie, je pense qu'on a un réel problème parce que les offres ne sont pas adaptées et les communications ne sont pas assez bonnes et il faut aussi adapter les offres euh, au niveau de vie des Nigériens. Il y a beaucoup de Nigériens, la majorité, en tout cas des Nigériens qui utilisent l'Internet sont des étudiants ou bien des jeunes et les forfaits et les MO qu'ils donnent avec euh, les, les, coûts ne vont pas ensemble. Et je remarque qu'en général, les mégaoctets ne sont pas suffisants. Les mégaoctets qu'on nous donne, quand tu arrives à 100 mégaoctets, l'internet se coupe. Donc tu ne peux même plus, euh, tu perds 100 mégaoctets, je ne peux plus naviguer. Et il faut adapter les offres aussi en fonction des différentes tranches de la, de la population. Il y en a qui travaillent, qui utilisent Internet pour le travail, d'autres pour le loisir, d'autres pour leur société. Donc il faut adapter ces offres en fonction de, tout, de toutes ces catégories de personnes. Je pense que c'est important, la population nigérienne. C'est à la société civile et au gouvernement et à la population de faire bloc contre ces sociétés-là pour qu'on puisse avoir des offres qui sont adaptées à nous et qu'on puisse avoir quand même un Internet de qualité. Parce que non seulement le débit n'est pas bon, tu payes et tu ne peux pas utiliser correctement les, les, les, les mégaoctets euh, euh, que tu achètes. Un propos recueilli par Abdul Karim Barmo Abbas Abdulaziz, euh, euh, président d'Actis. Vous venez d'entendre toutes ces réactions. Et donc, de façon, on va aller un peu rapidement parce qu'on a un souci de temps et donc malheureusement, on ne pourra pas, si on va lentement, aborder d'autres questions. Que pensez-vous de ces réactions Bon, eh, Myriam, écoutez, toutes ces réactions sont normales et justifiées parce que euh, aujourd'hui, j'aurais préféré d'abord vous faire euh, euh, la genèse ou vous rappeler le début ou le processus même de la privatisation et la libéralisation du secteur des télécoms au Niger. On n'en a pas le temps. <laughs> oui, parce que tous les problèmes viennent de là. Aujourd'hui, tous ces problèmes sont dus à la mauvaise organisation de la libéralisation du secteur des télécoms. D'abord, le premier fait que je condamne, c'est d'avoir libéralisé totalement le secteur des télécoms. Parce que le Niger euh, était dans ses débuts, le Niger n'avait pas les textes appropriés. Au lieu de s'inspirer d'autres expériences dans d'autres pays, et euh, nous avions laissé les opérateurs eux-mêmes formaliser et, euh, et concocter leurs propres textes pour régir le domaine des télécoms. Donc, Abba, ça veut dire que vous confirmez effectivement que l'Internet est cher au Niger. Effectivement, oui, euh, j'arrive. Et du moment où tout a été totalement libéralisé, ce n'est pas partiel, ça veut dire que d'abord, il y a un opérateur dont je tairai le nom qui dispose d'une licence globale. Et quand, euh, quand, vous, quand vous partez même dans son pays d'origine, dans son pays d'origine, cet opérateur n'a pas une licence globale. Ça veut dire qu'il peut exploiter le filaire, le GSM, l'Internet, tout ce qu'il veut dans le domaine des télécommunications. maintenant, dix ans après, l'État remarque que non, il ne devrait pas le faire, alors qu'il avait laissé les, opérateurs gagner du terrain et faire des investissements. Et maintenant, l'État revient sur sa décision euh, camouflée de libérer le secteur. Voilà le problème. Alors, euh, ce qui nous amène à cette question, donc, euh, euh, comment est fixé le prix d'Internet Sur quelle base de calcul Vous savez, les opérateurs ont ce qu'on appelle un cahier de charge. Parce que quand vous vous soumissionnez à une licence d'exploitation dans le domaine des TIC, l'État vous octroie une licence plus un cahier de charge. sur le plan tarifaire, ces opérateurs disposent d'un plancher et d'un plafond ce sont les textes qui le disent. Il y a un plancher et un plafond où l'opérateur a le plein pouvoir de manipuler entre les prix et en fonction du produit qu'il vend. Maintenant, euh, c'est de ça que les opérateurs sont en train de, jouir pour euh, faire du ping-pong et de l'autre côté, incriminer l'État pour dire que c'est l'État qui empêche euh, l'évolution et la bonne marche de l'Internet au Niger. C'est pour ça que je vous ai dit, je préférerais qu'on revienne en arrière, parce que, pourquoi euh, J'ai toujours dit dans tous mes débats et dans toutes mes interventions que je défie tout opérateur, je le redis, je le maintiens, de me prouver qu'il fait de la 3G. Mais il est a tout à l'heure, euh, l'un des, des citoyens En tant que président d'Actis, je défie tout opérateur qui peut me prouver qu'ils vendent de la 3G au Niger. Parce que, écoutez, nous sommes euh, au Niger, nous avons plein d'ingénieurs. Ils peuvent, vous pouvez balader vos micros pour interviewer des ingénieurs. Qu'est-ce que c'est que la 3G La 3G, c'est une génération, c'est-à-dire de, transmission de données, qui vous permet, s'il vous plaît, de faire ce qu'on appelle de la visio. Pour exemple, tous ceux, tous ceux, qui disposent téléphone capable de supporter la 3G verront sur le cadran de leur téléphone une enveloppe pour les messages, un combiné pour les appels et un cadran avec une photo qui représente l'appel visio. Et l'appel visio n'est possible que par la 3G. Je ne parle pas des OTT, je ne parle pas de Viber, Facebook, non. Ça, c'est de l'Internet. De là aussi, on peut parler de la 3G. D'autres abusent même pour parler de la 4G. Ah oui. Vous voyez Et bon, tout ça, moi, euh, je mets au défi n'importe quel opérateur, je le dis, je le maintiens, je le répète, qui ne font pas de la 3G. D'ailleurs, euh, en ce qui concerne ces opérateurs, nous avons approché Orange Niger et Airtel Niger qui n'ont pas voulu euh, souhaiter s'exprimer sur euh, cette question. et une autre question, peut-être une autre institution, l'ARTP et l'autorité de régulation de la télécommunication et de la poste et Abbas Abdelaziz, quel rôle est censé jouer donc la Voilà, euh, L'ARTP, c'est le régulateur du secteur des télécommunications et de la poste au Niger. C'est-à-dire, euh, j'aimerais d'abord vous dire euh, les composantes du domaine des télécoms. Nous avons le ministère en charge des télécommunications qui définit la politique sectorielle. Le ministère définit la politique sectorielle et l'ARTP est chargé de faire appliquer les textes et règlements de cette politique sectorielle. Voilà le rôle de l'ARTP. Et en plus de ça, l'ARTP a pour mission aussi de défendre les intérêts de l'État, des opérateurs et des consommateurs. Là, je fais une parenthèse. Là, euh, Actis s'est prononcé et s'est battu pour que ça ne soit pas ainsi. Parce qu'on ne peut pas être juge et parti. Ce n'est pas possible. Nous avons toujours sollicité et nous avons demandé à ce que l'ARTP défende l'État et les consommateurs. En parlant de juges et euh, aussi euh, de parti pris, nous allons, euh, nous n'allons pas malheureusement écouter au début de cette émission l'intervention du président du Conseil national de la jeunesse, Aliou Omar, qui nous avait donc euh, euh, accordé un entretien, un entretien dans lequel Ali Omar fait le point d'une situation euh, avec une téléphonie Orange Niger d'ailleurs. Et Ali Omar avait demandé en ce temps, je crois, le 29 avril dernier, un boycott des produits Orange durant 48 heures, un boycott qui selon lui est toujours d'actualité parce que Ali Omar explique que des acteurs doivent euh, euh, se réunir autour d'une table et, donc ça sera fait dans les jours à venir, les acteurs concernés par, par ce problème. Et selon lui, selon toujours Ali Omar, euh, les autorités ont demandé au CNJ de sursoir à, ce mot d'ordre de boycott en attendant que un problème une solution pardon, soit trouvée euh, autour de cet aspect. Que pensez-vous euh, euh, de, ce combat les, citoyens en ont parlé également. Bon, malheureusement, je ne suis même pas informé de ce combat. Je ne sais pas ce combat à quel objectif. Je ne connais pas les, les causes principales de ce combat. Mais j'ai une seule chose à dire. avant de se prononcer sur euh, sur, euh, sur, quelque chose, quelle qu'en soit la chose, euh, je préfère que les gens se documentent ou lisent les textes qui régissent le secteur. Parce qu'aujourd'hui, j'entends, j'entends dans, différents interviews, dans différents entretiens, de gens qui incriminent un opérateur et laisser l'autre. Non. Moi, j'incrimine tous les opérateurs. D'abord, si on veut parler du prix ou euh, de la mauvaise qualité de service, j'incrimine tous les opérateurs sans exception. Mais à vous entendre parler, selon vous, euh, M. Alio condamne un opérateur. Mais à ma connaissance, euh, cet opérateur n'est pas seul au Niger. Vous avez bien écouté les réactions des citoyens. Les citoyens sont revenus sur euh, ces opérateurs. Euh, ils ont cité à plusieurs reprises Orange Niger, Airtel Niger. Et parmi ces, toujours ces, réactions, nous avons aussi entendu l'un d'entre eux parler de complicité de l'État euh, par rapport donc à, ces prix. Bon, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Par rapport aux prix, les textes sont clairs. les textes sont clairs. Les textes disent que ces opérateurs ont un plancher un plafond. Maintenant, il y a des opérateurs qui vendent, par exemple, la voix à 60 francs. D'autres le vendent à 100 francs. Vous voyez bien la différence. Et donc la RTP n'a pas euh, son à dire. Mais écoutez, quand on vous dit, euh, Mariama, que l'État vous autorise à vendre une bouteille d'eau de 0,5 et 0,5 litres euh, entre 200 francs et 400 francs, écoutez, maintenant, si vous pensez que vous avez euh, la meilleure bouteille, euh, euh, c'est-à-dire le meilleur emballage, vous avez le meilleur habillage, si vous pensez que votre bouteille peut valoir 300 francs, mais vous le vendez à 300 francs. Si aujourd'hui vous pensez que votre bouteille, vous, vous vendez votre bouteille au prix plancher que l'État a mis à 200 francs, vous le vendez à 200 francs. Abdelaziz, à vous entendre, les choses euh, ne, peuvent pas changer. Ou est-ce que tout à l'heure, vous avez dit, euh, vous avez parlé de genèse, ou peut-être qu'il y, y, a la base qui, a, a peut-être été ratée. Selon, selon vous, quelles sont les solutions Il faut retoiletter tous les textes. Il faut reformuler la loi sur les télécoms. Et ça, c'est faisable C'est bien faisable, c'est une loi. Elle a été votée à l'Assemblée. Et pour, euh, si vous voulez, je vous fais un rappel. L'année où l'État a décidé de, reprendre le monopole de la 2G et de la 3G, Hertel et Orange ont adressé une correspondance au président de la, de la République pour lui dire de renvoyer en seconde lecture cette même loi qui viole les dispositions et les, textes supra que l'État nigérien a ratifié. Abdelaziz, et ça a été renvoyé en seconde lecture, ça a été modifié. Donc vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, l'État peut revaloriser le secteur de télécom. Et, en, parlant de toilettage, qu'est-ce qu'en qu en, réalité euh, l'État devrait mettre dans, ces tests Écoutez, euh, tout le monde est présent. Les opérateurs sont là, l'État est là, le régulateur est là, les consommateurs sont là. Il faut, il faut créer un cadre. Il faut, il faut qu'on fasse un forum pour s'asseoir que l'État défende ses intérêts, les consommateurs défendent leurs intérêts, les opérateurs défendent leurs intérêts et on trouvera une solution à tous ces mots. Je vous donne un exemple. Dans le cahier des charges des opérateurs, il est dit qu'aucun opérateur n'a le droit d'excéder 48 heures de, qualité de, mauvaise qualité de service par an. Mais il y a des opérateurs qui l'ont fini en une semaine. Il y a des opérateurs qui l'ont fini, qui l'ont épuisé en une semaine. Mais quelle était peut-être euh, la sanction Mais la sanction, l'ARTP sanctionne. Comment Voilà. L'ARTP se réfère au texte pour sanctionner. Mais il y a un mais que les gens ne veulent pas comprendre. Aujourd'hui, la qualité des services est proportionnelle à beaucoup de choses. Aujourd'hui, euh, je suis obligé de le dire, même si d'autres vont penser que je, défends les, je ne défends pas les opérateurs, parce que la télécommunication au Niger est une drogue pour nous. Nous devons la consommer, mais il faut qu'elle soit dans les normes. Aujourd'hui, l'État interdit. L'État a même fait arrêter des manœuvres qui travaillaient pour des opérateurs. Parce qu'ils veulent investir pour arranger la qualité de service. On vous dit non, vous n'avez pas le droit. On vous dit non, vous n'avez pas le droit. Ah bah c'est donc la faute de l'État Mais écoutez, c'est la faute de l'État, il faut retoiletter les textes. Il faut remettre la pendule à l'heure. Tout le monde est fautif. Les consommateurs sont fautifs, l'État est fautif, les opérateurs sont fautifs. Et pourquoi vous dites que les consommateurs sont fautifs Parce que le consommateur ne s'est pas sanctionné. Moi, là où je suis, je sanctionne les opérateurs. Donc ça veut dire que vous êtes d'accord avec des boycotts et autres Non, pas boycott. Quoi alors Pas boycott. Mais la meilleure manière de sanctionner un opérateur, c'est de ne plus utiliser sa puce. Voilà. Mais c'est ça que euh, le, président du Conseil de la ou les, citoyens quand même ont recommandé. mais écoutez, il faut d'abord que le consommateur prenne conscience que c'est son argent, c'est son service qu'il achète. On n'a pas besoin d'appeler euh, les gens. Et attention, je vais vous dire euh, une chose qui n'est pas euh, euh, que je ne devrais pas dire. Nous sommes en face des géants. <laughs> Écoutez, nous sommes en face des géants. Ça veut dire qu'on pourra rien contre. Euh, ce n'est pas qu'on pourra rien. On dit que tous unis, nous vaincrons. Si, nous constituons une, une force, mais écoutez, nous allons gagner. Abbas Abdelaziz, vous êtes donc, euh, je rappelle, euh, euh, acteur de la société civile dans le domaine donc euh, de, de, la défense des droits des consommateurs en ce qui concerne euh, la télécommunication, l'information, la communication. Vous, en tant qu'acteur de défense des droits de ces consommateurs, qu'est-ce que vous avez fait Je pense aussi à tous ces, ces, ces, ces acteurs, si, si vraiment il y en a euh, vous savez, à notre actif, nous avons eu à faire euh, beaucoup de choses, euh, mais nous sommes, on était confrontés à un problème majeur qui était le problème de compréhension de, ce que de, de, de, nos messages, par exemple. Au début, je me rappelle, il y a quatre ans de cela, quand nous avons commencé nos activités, d'autres nous traitaient même, excusez-moi du terme, de fous. Mais eux, lui, ils parlent de quoi ils parlent technique, on ne comprend rien. Mais euh, là où vraiment Actis a fait une percée, c'est quand nous avons parlé de, la télévision numérique terrestre, quand on disait aux gens de remplacer leur poste téléviseur. Quand nous avons intervenu sur les, chaînes de télévision et radio pour dire non, il ne, s'agissait pas de cela, mais voilà la conduite à tenir. Où en est ce projet Juste un petit mot. Euh, le projet, il est là, il est, il est réveillé. Euh, il va bientôt marcher bien. Euh, bref, euh, peut-être dans un autre entretien où nous allons parler de ça, mais bon, bref, euh, je vous dis que vraiment, il va bien, il va bien maintenant. Maintenant, ça, ça commence à se réveiller. D'accord. Et donc, vous parliez des, des actions Voilà, vous voyez, parmi ces actions, je reviens au niveau des télécommunications. Quand les opérateurs posent des actes, nous écrivons toujours à la RTP. Parce que c'est la RTP qui est le régulateur. Nous attirons l'attention de l'ARTP sur, sur, plusieurs faits. Par exemple, quand il y a eu des bugs au niveau d'un des, des, opérateur, où euh, on vous facturait la seconde à 20 000 francs, euh, nous, euh, nous étions une dizaine d'acteurs de la société civile. Et qu'est-ce que l'ARTP a répondu Non, je, vous explique le fait. C'est-à-dire, quand nous étions, euh, quand on n'a même pas, même pas attendu d'être d'abord saisi par les, consommateurs. Nous avons tous été victimes de ça. Euh, nous sommes retrouvés au siège de, cette euh, société. Et personnellement, en tant qu'expert dans le domaine, nous avons manipulé ensemble les serveurs pour voir effectivement la cause du problème. Et nous avons vu la cause du problème. Nous avons écrit à l'RTP pour attirer l'attention de ces opérateurs pour le respect pour le respect euh, des capacités des serveurs. Et nous avons exigé que tous les consommateurs qui ont été euh, euh, surfacturés soient remis dans leurs droits et qu'ils subissent des réparations. Chose qui a été faite. D'accord. Abbas Abdelaziz, je sais que euh, vous avez énormément de choses à ajouter. Nous sommes seulement à deux minutes de la fin de cette émission. Euh, en, trente 30 secondes, euh, qu'est-ce que vous pouvez dire Bon, moi sincèrement, j'aimerais d'abord attirer l'attention des acteurs de la société civile et d'autres acteurs. en l'occurrence, le président du Conseil de la jeunesse, M. Alio, il ne sert à rien de faire un combat en rang dispersé. Aujourd'hui, lui étant président du Conseil de la jeunesse, euh, peut s'approcher des, acteurs de la société civile spécialisés dans ce domaine, parce qu'il y en a deux ou trois ici et mener le combat ensemble, à mener, le combat ensemble. Voilà donc, euh, fidèles auditeurs, nous sommes à la fin de cette euh, émission. Je le disais à l'instant, je vous rappelle que nous avons essayé de joindre ces derniers jours les opérateurs téléphoniques sans succès. Même chose aussi pour les pouvoirs publics. Les uns et les autres auront en tout cas, euh, s'ils le souhaitent, dans les jours qui viennent, euh, l'occasion de s'exprimer à leur tour, donner leur point de vue sur cette affaire très importante qui est le prix de l'Internet au Niger. Affaire à suivre. Merci infiniment Abbas Abdul Aziz, président de Actis Niger. Merci à tous d'avoir euh, été à notre écoute. Au revoir et à très bientôt.